Les gens pensaient qu'avec une seule pièce, ils peuvent faire de CEV en CEV en train de rouler. Comme ils ont l'habitude de faire avant, ils peuvent s'enrouler plusieurs fois et avoir plusieurs cartes. Alors que c'est impossible maintenant avec la biométrie. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser vos militants On a tenu plusieurs réunions de proximité pour expliquer à nos militants et sympathisants qu'on ne s'inscrit qu'une seule fois et que dans tous les cas, si vous faites une double inscription, vous serez écrasé. Nous sommes un rare euh, parti qui a organisé déjà au niveau national un atelier pour expliquer à tous nos représentants, aussi bien au niveau des brigades qu'au niveau de la commission administrative, la nécessité de respecter la loi. La CENI donc aujourd'hui nous donne raison. Euh, si donc elle nous donne raison, c'est qu'elle doit tirer les conséquences. Euh, vous voyez, on parle de 134 000 cas. C'est un ou deux députés c'est quand même déplorable et il faut le dénoncer. Mais qu'est-ce que vous faites pour empêcher à vos militants de tomber dans ces genres de tentations euh, Nous avons initié des tournées, des séances euh, de travail avec des formations même pour sensibiliser nos camarades d'abord sur la nécessité de se faire enrôler, mais de le faire honnêtement. Nous avons des camarades qui sont aux aguets et qui veillent au grain. Nous sommes constants depuis le processus euh, de la biométrie et depuis que ça a commencé, on est sur le même cap, celui de la dénonciation. À chaque fois que nous constatons une anomalie, nous le dénonçons. Un militant bien informé ne fraude pas et il ne triche pas. C'est cela que nous avions fait au sein de nos affiliés. Nous avions mené des caravanes, des sensibilisations pour que nos militants soient disciplinés et que nos militants se mettent dans le respect strict de la loi et de la réglementation de notre pays. Pour le vol, nous avions prêché en tout cas l'interdiction formelle de frauder. Nous avions mené des campagnes de sensibilisation à nos militants de sortir massivement pour se faire enrôler, mais surtout d'éviter la fraude et de nous faire constater tout cas de fraude pour qu'on puisse prendre des mesures et le plus euh, urgemment possible.